Merci à vous, merci de votre attention. Donc, euh, je réitère mes souhaits de paix pour chacun d'entre vous, tous ceux qui nous entendent et nous suivent, pour tout le Sénégal, pour l'Afrique, le monde entier. Je vais vous lire la déclaration dix jours de la plateforme citoyenne Art Election Élection. Depuis l'acte posé par le président de la République en publiant le décret 2024-106 du 3 février 2024 arrêtant la poursuite régulière du processus électoral suivi par le vote de la loi 04-2024, le Sénégal est entré dans une crise constitutionnelle et démocratique sans précédent. En confisquant au peuple sénégalais son droit souverain de choisir démocratiquement son président par les voies constitutionnelles et légales, M. Macky Sall installe notre trajectoire démocratique dans une impasse et oblige les citoyens à recourir à des modes particuliers de lutte jusqu'au retour à la légalité constitutionnelle. Face à ce décret illégal, à un décret illégal et une loi anticonstitutionnelle, nous exprimons notre refus catégorique. Sénégal, Baïna. À partir de cette semaine, la plateforme citoyenne Arsenio Élection invite les Sénégalais et Sénégalaises à une mobilisation générale comme forme de lutte non violente tant que le président de la République persiste dans sa posture de confiscation du pouvoir et fait obstacle à la volonté populaire d'élire un nouveau président de la République dans les délais impartis par la Constitution et la loi électorale. À Arsounou, élection, appelle les us de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel à assumer leurs responsabilités historiques face au peuple, au nom duquel ils ont été désignés pour dire le droit la réhabilitation de l'ordre légal et constitutionnel dépend de la suite qu'ils donneront aux différents recours déjà soumis. Arsenio Sénégal Arsenio élection c'est pareil aujourd'hui parce que l'avenir du Sénégal dépend de cette élection invite les citoyens à une mobilisation massive en manifestant leur refus par les moyens légaux et pacifiques à travers l'organisation de marches silencieuses, d'opérations villes mortes, de grèves générales et un service minimum dans l'administration publique et parapublique, même privée, des sittings inopinés, des flash mobs, comme savent l'organiser maintenant les jeunes, dans les lieux publics ou des institutions, des journées de prière répétitives, celles qui ont été commencées vont se répéter, des prêches coordonnées dans les mosquées et églises, des manifestations artistiques et médiatiques, des démonstrations de culture urbaine mais aussi de culture rurale, d'activités spécifiques de jeunes et de femmes d'interpellation des partenaires économiques et financiers du Sénégal sur le risque pays. Arsounou Élection invite tous les mouvements citoyens, les organisations socio-professionnelles, les syndicats, le secteur public et euh, privé, les médias et toutes les forces vives de la nation à traduire en action sectorielle, chacun à son niveau de responsabilité, cette campagne de mobilisation massive contre la confiscation de la souveraineté du peuple. Arsenu Sénégal fait confiance au génie du peuple sénégalais qui lui a permis à plusieurs reprises, dans des moments critiques de l'histoire de ce pays, de démontrer son attachement viscéral à la justice, à la démocratie, mais aussi à la paix. À élection a déposé une déclaration de marche pacifique et silencieuse auprès de l'autorité compétente depuis le 8 février 2024, soit cinq jours francs avant la date Hier soir seulement, c'est vers 22 heures précisément, que la plateforme a reçu la notification d'interdiction sans prétexte que l'itinéraire doit être changé. En concertation avec le préfet ce matin, mardi 13 février, un nouvel itinéraire a été choisi pour la tenue de la marche. Une nouvelle déclaration de marche a donc été introduite pour le samedi 16 février à partir de 11h du matin. Nous invitons donc les Sénégalais à manifester sur toute l'étendue du territoire national et la diaspora de se mobiliser ce même jour tous ensemble. Invitons donc au niveau du territoire national que les citoyens déposent, en même temps que nous l'avons fait aujourd'hui, leur déclaration pour cette marche du samedi 16 février. Du samedi 17 février, autant pour moi. Nous prenons à témoin tous les Sénégalais et toute la communauté internationale que la plateforme s'inscrit dans une démarche de respect du droit. Cependant, nous appelons, nous rappelons que la liberté de manifester constitue un droit fondamental et que la plateforme à sous une élection ne saurait rester passive face aux atteintes répétées aux droits garantis par la Constitution aux citoyens sénégalais. Face aux turpitudes des politiques, le peuple s'est toujours élevé pour trouver la solution juste et durable. Ensemble, faisons face aux menaces qui pèsent sur la stabilité de notre pays et la préservation de notre vivre ensemble. Vive la République Vive le Sénégal. Vive le citoyen sénégalais. Fait à Dakar ce 13 février 2024. Je vous remercie. Nous allons donc à présent donner la parole à, du syndicat euh, démocratique des travailleurs, de, la santé. pour qu'il nous fasse l'économie de cette déclaration en Wallon. <laughs>

Elimane wax na ko sax gëj na yaatu sax mën nañu wax ni aar sunu Sénégal euh, maa ngi tudd Cheikh Seck nekk physiothérapeute hôpital général Idrissa Pouye nekk aussi syndicaliste jiite syndicat ci kër docteur ànd ak yeneen i organisation syndicale fan yi ñu créé benn entité bu ñuy wax synergie des syndicats des travailleurs maanaam waa kër docteur ñi ngi ci ñi nekk ci njàng mi ak njàngale mi ñi ngi ci ñi nekk ci télécom mi ñi ngi ci ñi nekk ci transport ñi ngi ci ñépp ñi ngi ci ñu bël suñu doole boobu yow ñëw indil ko ci biir aar parce que loolu mooy li nga xam ni moonu boole ñun ñëpp tey nag dañ fi daje parce que situation bi moo ko laaj gis nañ ni depuis bi président de la république taxawee jël acte muy décret muy samedi bële muy le 3 février 2024 ci li nga xam ne moo jëm ci processus électoral bi ñu arrêté ko am lu ci topp mooy wax assemblée dajaloo tamit dàq li nga xam ne moom mooy élection yi gis nañ ni crise amuloon de waaye ñaari actes yooyu bu ñu ko posé ba tey ku nekk gis na ni moom moo créer crise fii ci Sénégal loolu nag day loo xam ne lu peuple bi moom bu ne lu peuple bi moom lu constitution teg la am ay groupe nit yoo xam ne ñoo ko confisqué daat koy téye souveraineté bi nag ñun ñoo ko moom moo tax ñu ne dañuy jóg taxaw loolu nga xam ne peuple bi moo ko moom te ñun ñu bokk ci peuple bi ñu war ko mën a euh, récupérer léegi nag gis nañ ni voix yi nga xam ni

ku nekk xam ne ni jaarul yoon ñi ngi taxaw di bañ moo tax ñu ne Sénégal bañ nañu ci semaine bi plateforme bi nga xam ne mooy aar sunu élection mi ngi wax sénégalais yépp ñu dajaloo dajaloo nag mën nañoo xeex mais xeex boo xam ni du jëm ci mbirum violence maanaam lépp loo xam ne yoon jox nañu ko muy voie yoo xam ne yu jaar yoon la ñu utiliser ko pour li nga xamné moy suñu ak ak seen suñu yelleef ñu mën ko am mais duñ ci arrêté nak té duñ ci sonu duñ ci tàyyi tant que président de la république ak ñimu andal fa ñu nek ña nga fa ba tay bu ñu changé wul du ñu changé ci confisquer pouvoir bi nga xamné ne population population moko mom pour que ñu mëna dem ci ay élection yu jaar yoon ñu mëna fal suñu njiitum rew parce que ñun ñoo wara choisir suñu njiitum rew mais keneen ñu ko choisir ñun citoyen ar suñu élection nak mi ngi ñaan ñi nga xam ni ñoo yor ëttu attekaay muy juge muy cour suprême muy conseil constitutionnel parce que ñoom ci boppam tey jii ñoom dong ñoo mën a sobee réew mi yaakaar nañu histoire mën nañ dugg ci histoire bu fekkee ni jër nañ seeni responsabilité diggante seen peuple bi nga xam ne tey jii bu nu toogee fa nu toog peuple bee tax ñu ñu tegu leen fa même bu dee décret bi président moo ko moo ko moo ko signé il faut que ñu delloowaat conseil constitutionnel gëddam ak Akam. mais nag ci loolu pour mu mën a am recours yi nga xam fait. def nañ chambre administrative cour suprême ak recours yi nga xam fait, def nañ ko fi nga conseil constitutionnel ñu mën ko li nga xam ni moom le droit